Nous sommes euh, vendredi 29 novembre 2024, chères auditrices et auditeurs, ravis de vous retrouver dans ce dernier numéro de la semaine de votre émission Le Niger sur Kalangou. Je suis Ali Moukela alias euh, Seno et avec moi ce matin Samira Rouafi pour la présentation. Bonjour Samira. Bonjour Seno, tu vas bien Alhamdulillah de mon côté. On passe aussi le salam à ceux qui assurent de l'autre côté euh, sur la console. Il s'agit bien évidemment à la technique de Mustafa Ayouba et à l'édition Adama Dawaki. Alors Seno, quel est le menu du jour Mariam, comme d'habitude, Samira autant pour moi, comme d'habitude, il y a le flash d'informations pour débuter. De la bonne musique nigérienne sera servie à nos auditeurs, du loti avec le desk femme du studio Kalangu, le sport avec euh, notre chroniqueur sportif du jour, la culture linguistique sera également au rendez-vous, sans oublier la revue de la presse qui est présentée chaque vendredi. Et eh oui, euh, toujours euh, dans ce menu, c'est nous. Dans la rubrique invité du jour, nous recevons M. Kalo Mustafa, écrivain et enseignant à la retraite. Avec lui, nous parlons des Oisiciens du Sahara, une œuvre littéraire qu'il a écrite. L'écho des régions nous conduira aujourd'hui à Matamei, région de Zender. Nous terminerons avec les messages vocaux de nos auditeurs. Eh bien, chers auditeurs, installez-vous confortablement. C'est parti pour une heure d'infos et de divertissement. Sans trop tarder, chers auditeurs, voici le flash d'infos présenté par Rafika Taher. Bonjour Rafika. Bonjour à tous. Alors pour ce matin, le Niger poursuit le renforcement de ses capacités militaires avec l'acquisition de l'eau de matériel en provenance de la Russie, écrit l'agence nigérienne de presse. Cette nouvelle dotation poursuit le confrère incarne la volonté des autorités nigériennes de doter les forces armées des ressources nécessaires pour répondre efficacement aux défis sécuritaires. Le système des Nations Unies au Niger a célébré hier 28 novembre la 119e anniversaire de l'organisation à travers un cocktail dans les jardins de la Maison des Nations Unies. Cette journée a été l'occasion de réaffirmer les principes fondamentaux des Nations Unies, promouvoir la paix, les droits de l'homme et le développement durable tout en renforçant les liens entre les acteurs nationaux et internationaux. Cette cérémonie a également été marquée par l'inauguration du nouveau bâtiment du bureau de coordinateur résident des Nations Unies, un symbole fort du renforcement de la présence onusienne au Niger et de son engagement à améliorer l'efficacité de ses interventions. Enfin, dans ce flash au Forum national sur la gestion du foncier rural au Niger s'est ouvert hier 28 novembre à Dosso. Ce forum de trois jours regroupe les autorités administratives et coutumières du Niger, les cadres centraux et régionaux de certains ministères, les représentants des partenaires techniques et financiers, les organisations de la société civile et celles des organisations des producteurs. Cette rencontre permettra aux différents acteurs d'internaliser la politique foncière rurale, notamment ses principes principales orientations et axes stratégiques, mais aussi d'échanger autour des grandes préoccupations des usagers des ressources naturelles rurales au Niger. Il s'agira de partager les outils de mise en œuvre de la politique foncière rurale en lien avec la protection des droits fonciers des opérateurs ruraux des échanges sur les préoccupations majeures qui assaillent le milieu rural nigérien, de formuler des recommandations pour une meilleure prise en charge des enjeux et défis actuels de la gestion du foncier rural au Niger et d'élaborer une feuille de route pour la mise en œuvre des solutions. Et voilà pour le flash de ce matin. Merci bien Rafika pour toutes ces informations. Comme annoncé euh, tantôt, nous recevons M. Kolo Mustafa, il est écrivain. Bonjour M. Mustapha. Bonjour. Merci de nous honorer de votre présence. C'est à moi de vous remercier pour m'avoir donné l'occasion donc de pouvoir présenter mon dernier livre qui s'intitule Les oisiens du Sahara. Merci infiniment. Alors avant de rentrer dans le vif de nos échanges, écoutons d'abord euh, la toute première musique de notre sélection musicale d'aujourd'hui et c'est parti avec le titre Toujours un vide de l'artiste euh, Amiral JC. Je n'ai jamais voulu rechanter, je voulais rester dans ma bulle. Les années passent, j'ai constat, y a toujours envie. C'est ma life, elle a vraiment besoin de cette vie. C'est ma life, elle a vraiment besoin de cette vie. Je n'ai jamais voulu rechanter, je voulais rester dans ma vie. Les années passent, j'ai constat, y a toujours envie. C'est ma elle a vraiment besoin de cette Aïe, il laisse ma carte. C'est ma elle a vraiment besoin de cette Aïe, il laisse ma carte. je prends pas les avenues. Oui, je longe toujours les raccourcis. Parce que ma vie c'est rétrécie, donc chaque moment vécu, moi je l'apprécie. Un jour viendrai, je serai un homme, espérant que l'image soit bonne. Le reflet dans le yeux de cet homme, Ce qui s'est barré avec beaucoup de temps de fille. deuxième état de plus de lucidité, laissez épanouir mes pensées. Je voulais rester dans ma vie. Mais ça n'est pas ma face, j'ai conseillé à tout manquer. C'est ma life, elle a vraiment besoin de cette psycho qui laisse ma carte. C'est ma life, elle a vraiment besoin de cette psycho qui laisse ma carte. Je cherche à donner sens à ma vie. Je tombe sur des sens interdits. Et eh oui, Amiral JC, cher auditeur de son vrai nom, Mahaman Djadje Amadou Touré. Cet artiste est tombé dans la marmite de la musique en 1986 à Niamey. Hein, il a commencé, il est né autant pour moi en 1986 à Niamey et il est tombé dans la marmite musicale, euh, comme je le disais tout à l'heure, en l'âge de 14 ans. Rappeur, compositeur, acteur, chanteur, parolier et producteur, Amiral JC est membre de NKN, un groupe qui a existé un moment dans les années 2005-2006 un collectif de rap nigérien regroupant des rappeurs euh, en se produisant au label Culture Production. Il euh, compte à son actif deux albums et le groupe avec le groupe Bagzam deux singles. Voilà, et euh, eh bien en 2016, il fait son premier concert solo dans la grande salle du Palais des Congrès de Niamey. Depuis 2020, l'artiste Amiral Dissé s'est éclipsé de la scène musicale pour se consacrer à sa profession d'agent commercial. souvent moi je j'ai chanté dans mon coin et je et si de là que j'avais compris que moi, ami agissait et la musique on est. C'est pour cela que je demande la compagnie des uns et des autres. Je n'ai jamais voulu me chanter, je voulais rester dans ma Voilà, chers auditeurs, euh, vous venez d'écouter toujours un vide d'Amiral JC. Alors, Monsieur Moustapha, bonjour. Bonjour. Alors, euh, quelle a été votre principale motivation pour écrire sur le Kawar et ses habitants dans les oisillons du Sahara oh, bonjour. Donc, merci beaucoup de m'avoir donné la parole pour pouvoir euh, parler de mon livre. D'abord, ce livre est le troisième que j'ai publié. En 2016, vous voyez ici, réflexion sur la corruption, pensée politique au Niger, le à la démocratisation, ce sont les deux premiers livres. Mais il y a un quatrième livre que j'ai déposé au BNDA qui n'est pas publié aussi. Mm, donc, ça, c'est le troisième livre. Donc, publier, ce n'est pas que j'ai une fixation sur tel ou tel, mais publier, c'est mon passe-temps. Donc, euh, mm. euh, comme les gens vont à la fada, comme les gens vont, je ne sais pas moi, euh, au cinéma ou <laughs> au concert. Moi, c'est-à-dire quand j'ai le temps libre, donc j'écris, j'ai lu, c'est ça mon passe-temps. Donc ce n'est pas quelque chose qui est motivé par quelque chose. Maintenant, pourquoi le Kawar et le Sahara Parce que c'est les oisins du Sahara, si vous avez bien retenu le titre. Mm-hmm. En fait, le Sahara constitue une grande partie du Niger. Cette grande partie est très peu habitée et c'est une zone tampon en fait entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne en général. Et malgré que ce soit une zone qui est un peu vide d'habitation, euh, ça a été la grande route de tous les commerces entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. Et qui dit commerce dit mouvement des gens. Et qui dit mouvement des gens, forcément des points de rupture, des points où on peut s'arrêter. Et le Kawa, c'est situé sur cette route entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. Et pendant donc euh, des siècles, voire des millénaires, mhm. c'est des points où les gens s'arrêtent. Et c'est pourquoi j'ai voulu décrire, et au travers de ça, décrire tout le commerce transsaharien, comme on dit un peu, tout ça, donner des informations, ce que j'en connais à la jeune génération. Voilà ce qui a motivé pour ce dernier livre. Est-ce que vous l'avez vécu pour voir euh, un peu cet échange, comment ça se passait de telle frontière, de telle région, venir euh, au Sahara et tout. Est-ce que vous l'avez vécu personnellement Le commerce existe toujours. Oui. C'est peut-être les moyens de transport qui ont changé. Qu'on voyage en véhicule, qu'on voyage à dos de chameau, à dos d'âne ou à pied, ce sont les mêmes routes que les gens empruntent, jusqu'à preuve de contraire. Mhm pour faire à peu près le même commerce, mais c'est avec des moyens différents. Donc <laughs> j'ai forcément voyagé. <laughs> et donc <laughs> j'ai voyagé et donc je connais. Et je connais aussi le commerce même ancien à travers donc, les informations que mes parents ou d'autres personnes ont bien voulu me donner. Mhm. Donc moi je n'ai pas fait de voyage véritable à l'eau de chameau, par exemple de la Libye au Niger ou de machin au Nigeria, etc. Je n'ai pas personnellement fait ce commerce. Mais j'ai reçu des informations des gens qui m'ont précédé, notamment les parents, les, les gens qui sont plus, plus âgés que nous. Voilà, merci. Mm. Super. Euh, votre livre parle du Kawar comme une région stratégique et convoitée. Alors, quelles influences historiques majeures ont façonné cette région selon vous euh, Les influences majeures, il y en a plusieurs. Hein. D'abord, le Kawar, c'est la région, par exemple, par laquelle l'islam est rentré en Afrique noire. Euh, les premiers musulmans qui sont arrivés en Afrique noire, c'est par le Kawar. Euh, la grande mosquée actuellement, par exemple, de Dirko, ça s'appelle la mosquée Okba Ben Nafi. C'est un des tout premiers à venir. Et je ne sais pas si vous le savez, déjà au 12e siècle, il y a quelqu'un qui est issu des Kawar qui s'appelle Ibrahim Ishaq El-Kanemi, qui est professeur d'université et qui enseignait par exemple dans les universités marocaines et espagnoles. 12e siècle. 12e siècle. Oui. Et donc, euh, la région, comme c'est la route, ça joue un rôle tampon. Maintenant, un peu plus avant, la, la légende ou la tradition dit que, par exemple, les légendaires populations de Sceaux ont habité dans cette région. Nous, on montre les lieux comme étant leur lieu de résidence. Mhm. Peut-être que ce n'est pas exactement cela, mais la mémoire collective retient comme quoi ça a été habité. Mhm. Les Romains parlent de cette région. Euh, je ne sais pas, il y a un auteur nigérien qui s'appelle Ibrahim Issa qui a écrit Les Grandes Zones Noires. Dans ça, Ibrahim Issa parle des Garamantes qui auraient habité cette région et il rapporte ça des Romains donc, plus tard, maintenant, il y a eu des successions de populations, les Canories, les Toubous, etc. Et mhm. comme c'est une route, plein de gens passent. Peut-être certains restent, peut-être d'autres ne restent pas. Mhm. Donc, vous évoquez dans le chapitre sur l'organisation sociale la notion de bonne parole et la mauvaise parole. Comment ces concepts influencent-ils les relations dans la communauté euh, d'abord, d'une façon générale, la question de la parole est une question, je dirais, presque philosophique. Mm-hmm. <laughs> c'est quoi D'abord, dans cette société, on pense que la parole, c'est quelque chose qui appartient aux femmes mm-hmm. et que les hommes ne font que l'emprunter. Donc, ce sont les femmes qui sont les maîtresses de la parole. Mm-hmm. Sauf que la parole sert à communiquer. Mais la parole a des fonctions ou en tout cas des agissements subsidiaires qui peuvent provoquer le danger. C'est ce qu'on appelle communément le mauvais œil ou parfois la sorcellerie. Donc peut-être l'expression de l'envie et la parole peut donc être quelque chose qui peut être mortel pour quelqu'un, euh, etc. Donc il y a tout, tout un discours sur la parole, toute une herméneutique de la parole. Mhm qui est faite. Et ça, je crois que j'ai essayé d'interpréter un peu les choses. Mm. Alors, euh, vous parlez également euh, des rites de passage, notamment la circoncision. Euh, sont très détaillés dans votre livre précisément, dans le chapitre 3. Alors, quelle est la signification symbolique de ces pratiques pour les habitants du Kawa La circoncision, est une pratique euh, qui est assez répandue en fait euh, en Afrique noire. Hein. Et on sait aussi de par l'histoire que même les anciens Égyptiens pratiquaient la circoncision. Hmm. Donc il y a très peu peut-être en Afrique noire des peuples qui ne pratiquent pas la circoncision. Mais la circoncision, ce n'est pas seulement l'ablation du prépuce. Hmm. C'est une cérémonie. En fait, c'est le passage des gens en tout cas jusqu'à une certaine époque, d'une certaine classe à une autre classe. Donc chez les Caoriens avant, c'est-à-dire on laissait les gens pour devenir relativement mûrs, peut-être à l'orée de la puberté, mhm. pour donc les circoncire. Quand quelqu'un est circoncis, on pense qu'il est apte, par exemple, à aller à la guerre. Donc il fait partie des potentiels combattants, puisque vous savez, dans ces régions, enfin, avant, il n'y avait pas l'État organisé tel que nous savons où il y a une mm. armée régulière. Donc, ce sont les hommes en âge de combattre qui combattent, qui défendent, comme pour aller combattre aussi ailleurs. Donc, la circoncision a une signification particulière. Mm-hmm. Non seulement parce que la personne circoncis change de classe sociale, mm-hmm. il se prépare donc bientôt au mariage aussi, mais aussi il devient un combattant potentiel. Mm-hmm. Donc, pour ce faire, les parents commence à les doter selon leurs moyens de propriété. Donc, puisqu'il va devenir homme, puisqu'il va devenir machin, mhm. on lui donne un certain nombre de choses qui lui appartiennent désormais en propre. Donc on l'écarte partiellement de la famille en quelque sorte. Tout à fait. Très intéressant euh, hein, ce que vous êtes en train de dire, mhm. n'est-ce pas Samira Exactement, <laughs> grâce à euh, M. Moustapha nous comprenons mieux, mieux plutôt certaines euh, choses qui viennent du Kawar, surtout dans le temps ancien. Alors M. Moustapha, nous allons faire une pause pour cette première partie et nous allons retrouver Mokhtar Hamadou pour la revue de la presse. Bonjour Mokhtar. Oui, bonjour Samira, bonjour Ali Moukaila Hussaini. Bonjour. Alors, euh, Mokhtar, nous débutons euh, cette revue de presse avec la crise diplomatique entre l'UE et le Niger. L'Union européenne. bien évidemment. L'ambassadeur euh, Salvador Pinto a rappelé pour des consultations après des accusations sur la gestion de l'aide humanitaire. Titre en gros le journal en ligne Actu Niger. Et oui, sinon, un nouveau différent diplomatique a éclaté entre l'Union européenne et le Niger le 23 novembre, l'Union européenne a annoncé le rappel de son ambassadeur Salvador Pinto da França en poste à Niamey depuis le 1er septembre 2022 pour des consultations à Bruxelles à la suite des accusations des autorités de transition nigérienne concernant la gestion de l'aide humanitaire destinée aux victimes des récentes, inondations, nous informe Actu Niger selon l'Union européenne, euh, poursuit le confrère. Ces accusations remettent en cause euh, la modalité de distribution de cette aide euh, dans le pays, une aide critiquée pour son manque de transparence. Dans un communiqué publié vendredi, les autorités de transition du Niger ont critiqué l'Union européenne pour avoir distribué une aide humanitaire de 1,3 million d'euros sans avoir été consultée au préalable. L'ambassadeur de l'Union européenne au Niger a, de manière unilatérale, distribué cette aide à des ONG au mépris des principes de transparence et de bonne collaboration avec les les autorités nigériennes compétentes affirment ce communiqué qui ajoute qu'un audit sur la gestion des fonds en question a été demandé. Mokhtar, l'agence nigérienne de presse ANP titre, je cite, Rédition des membres du FPL et du MJRN ». le gouverneur de la région d'Agadez appelle les autres groupes à leur emboîter le pas. Et eh oui, Samira, selon l'agence de presse, euh, plus de 400 éléments du FPL et du MJRN, euh, deux groupes rebelles euh, créés récemment au Niger, ont déposé leurs armes et munitions au cours d'une cérémonie présidée le mercredi 27 novembre par le gouverneur de la région d'Agadez, le général de brigade Ibra Boulama Issa au camping municipal de la ville. L'arsenal Rémi est composé de fusils d'assaut, de RPG, de canons et munitions de tout calibre cette, euh, cette date euh, du 27 euh, novembre 2024 doit être marquée d'une pierre blanche, tout comme celle du 11 novembre passé, quand une cérémonie similaire a été organisée au gouvernorat, a déclaré le gouverneur. En effet, ces deux moments traduisent des étapes importantes dans la lutte contre l'insécurité au Niger en sait qu'une coalition d'éléments de deux fronts armés ont voulu répondre à l'appel du chef de l'État, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP, en remettant leurs armes aux autorités légales, a indiqué le premier responsable de la région d'Agadez. Le général de brigade Ibra Boulama Issa les a surtout rassurés que toutes les dispositions seront prises pour que tous les combattants démobilisés puissent suivre de façon assez régulière euh, tout le processus de démobilisation, désarmement, réhabilitation et intégration. Mokhtar, euh, Niger interdiction d'exportation du ciment, titre de son côté le journal L'événement par, par, un arrêté ministériel, euh, le gouvernement a décidé d'interdire l'exportation du ciment gris SEM2 32.5 euh, euh, jusqu'à nouvel ordre selon le journal L'événement. Cette mesure annoncée par le ministère du Commerce et de l'Industrie vise à garantir l'approvisionnement des consommateurs locaux. En effet, depuis la décision prise en octobre 2024 par l'État de revoir à la baisse le prix du ciment. Il est constaté ces derniers temps une pénurie inexpliquée du ciment gris m 2 32.5 sur le marché alors que la demande augmenta. Alors, cette décision prise par le gouvernement d'interdire l'exportation de cette matière vise à assurer l'accessibilité de ce ciment sur le marché national. Et c'est tout pour la revue de la presse hebdomadaire de ce vendredi 29 novembre 2024. Merci Mokhtar. Chers auditeurs, poursuivons nos échanges avec notre invité du jour. Il s'agit de M. Kolo Mustafa. Je rappelle qu'il est écrivain et aussi enseignant. Alors, euh, dans le chapitre, M. Euh, Kolo Mustafa, dans le chapitre 4, vous mentionnez la place du thé <laughs> et le rôle de la cravache au kawar. Pouvez-vous euh, euh, nous expliquer l'importance culturelle de ces éléments Merci. Donc, le thé d'abord, je pense que avant tout, c'est peut-être un aliment aussi puisqu'on le consomme, c'est un remontant. Or, euh, le kawar, vous savez, c'est dans. C'est des oasis. donc, les oasis, on y accède en traversant le désert. De quel côté qu'on vienne, on est obligé de traverser des entrées du. Et quand, par exemple, quelqu'un arrive chez vous, la première chose que vous allez offrir, c'est d'abord le thé. Pourquoi Parce que d'abord, c'est facile à préparer et c'est un grand remontant. Donc, quelqu'un qui est fatigué quand il arrive, quand vous lui donnez un verre de thé et qu'il voit, il se reconstitue très vite. Avant même peut-être que le repas n'arrive ou qu'il n'arrive à manger. Euh, donc, c'est pourquoi le thé euh, fait partie de l'alimentation, je dirais, de base pour euh, les gens de cette région. Donc, après chaque repas, les gens donc, consomment du thé et c'est tout un cérémonial puisqu'il y a un premier verre, il y a un deuxième verre et il y a un troisième verre. Généralement, le troisième verre, c'est pour les enfants puisque c'est généralement assez léger, donc assez secret, oui. <laughs> Voilà. Alors, votre livre explore des aspects mémorials euh, du Kawa remontant à l'époque où la région était vraiment euh, très humide. Quelles traces de cette euh, mémoire collective sont encore visibles aujourd'hui c'est admis de par euh, la science que le Sahara était humide. Et donc la mémoire collective aussi a retenu euh, quelques bribes d'informations sur cette période qui serait humide. Donc je rapporte euh, une anecdote où donc Les mhm. gens voyagent probablement au jour le jour, sans avoir peut-être même besoin d'avoir une monture. Mhm ou un coq euh, qui se serait égaré et qui se serait retrouvé dans l'actuel Nigeria, donc dans la capitale de l'actuel empire du Burundi. Mhm. Euh, ça, c'est le côté, donc, je dirais, oral, ou en tout cas que la mémoire collective a, retenu. Mhm. Mais pour tout celui qui voyage dans le désert, il va trouver des traces, par exemple, des coquillages d'escargots. Mhm. Donc, l'escargot, ça ne peut exister que là où il y a, de l'humidité. Mhm. Or, tu es en plein désert, donc probablement, donc on a encore des traces qui montrent que cette région était effectivement humide. Mhm. Alors, euh, Monsieur Colo, euh, dans le chapitre intitulé Le livre du désert, euh, vous parlez de la transition des caravanes aux véhicules modernes. Je pense bien que vous l'avez un peu effleuré tout à l'heure dans l'introduction. Mhm. Alors, comment cette évolution a-t-elle impacté la vie des habitants du Kawar euh, Cette évolution, comme vous le dites, euh, a beaucoup impacté, mhm. en fait, euh, la vie du Kawar. Je dirais même que ça en quelque sorte, révolutionner. Sinon, on est dans un processus révolutionnaire. Hmm, oui. Euh, de la vie des Gaoniens, ce passage euh, du, transport animalier au transport motorisé, hmm. d'une façon générale. D'abord, la motorisation est venue avec la colonisation, c'est ce qu'il faut dire. Hmm. Avant la colonisation, il n'y avait pas donc de motorisation. Donc mm. les gens <clears throat> voyagent quand c'est plus loin à dos de chameau, à dos de cheval, peut-être à dos d'âne aussi, peut-être dans les machins et à pied. Mm-hmm. De ce fait, euh, la vie autour de, des oasis est aussi adaptée à ce rythme des caravanes. Mm-hmm. Puisque dans les oasis, euh, on ne produit pas beaucoup de produits alimentaires. Mhm. Mhm. Euh, mais par contre, le climat est adapté, par exemple, à la culture des dates. Mhm. Quand vous voyez le kawar, c'est très long. Par exemple, la zone habitée, ça va du, canton de Diado au canton de Fachi, ça fait environ 500 km. L'ensemble du kawar, ça fait 278 km. Donc c'est peut-être un quart du Niger, j'en sais rien. <laughs> Mais avec très peu de population. Donc ces populations ont développé un rythme de vie qui est adapté à leur environnement, à leur milieu. Donc ils cultivent des dates et ils ont sélectionné des espèces de dates selon les régions qui sont adaptées. Et ce sont des dates qui peuvent sécher. C'est très important pour le commerce caravanier. Puisque quand le caravanier vient, lui aussi, il va prendre. Il va faire les mois pour aller les écouler, par exemple, au Nigeria. Euh, très souvent, c'est donc dans les régions du sud. Hmm. Alors, avant d'aller plus loin, comment oh, cet impact, on peut dire qu'il est positif ou bien il est négatif Parce que maintenant, avec les moyens de transport, on peut eh, transporter les dates plus vite. Mais est-ce que cela, avec la pollution et tout, ça n'a pas impacté la vie euh, négativement la vie des gens du Kawa c'est-à-dire, dans toute choses, il y a un côté positif et un côté mmh. négatif. Mmh. C'est-à-dire, la motorisation accélère mmh. le processus des échanges. Ça facilite beaucoup de choses et on transporte de beaucoup plus grosses quantités qu'avant. Mais malheureusement aussi, ça détruit le terme d'échange. Parce que quand euh, c'était au temps des caravanes, les gens faisaient par exemple leur stock annuel d'alimentation avec le troc. Oui les caravaniers viennent avec des produits alimentaires et ils retournent avec des dates. Donc c'est le troc. Mhm. Donc si le troc n'est plus, c'est le numéraire. Or, le numéraire, il faut travailler quelque part. il faut avoir de l'argent. Donc l'argent suppose qu'il y a une source de, de revenus. Euh, de revenus et un travail. Or, il n'y a pas un changement euh, dans la société, mhm. par exemple, qui a introduit des usines ou des machins où des gens vont aller travailler, etc. Ou des administrations. exactement. <laughs> oui, donc ça déstabilisé, en fait euh, la région. Mhm, mhm. Même s'il y a d'autres facteurs positifs qui ont en quelque sorte remplacé. C'est quoi Par exemple, juste à côté de nous, un peu au nord de nous, peut-être un peu moins de, 600-700 euh, km, il y a la Libye qui est un pays riche, où les gens peuvent aller travailler et revenir. Peut-être c'est ça qui a amorti les chocs. Mm-hmm. Donc, il a contribué à introduire le numéraire, mais mm-hmm. aussi développer le transport, puisque le flux entre la Libye et le Niger, c'est un flux important de commerce. Voilà, vu qu'on parle euh, euh, de d'économie et tout, l'insécurité dans le désert est un thème récurrent, comme vous le savez. Comment les habitants du Kawar s'adaptent-ils à ces défis pour maintenir leur activité économique et aussi euh, sociale D'abord, le désert en lui-même, c'est un peu comme la mer, c'est-à-dire par essence, c'est une région insécure, puisque dès que tu sors des zones habitées, tu es dans l'isolement et toute mhm. personne isolée est, virtuellement euh, faible et susceptible d'être attaquée par moult choses. Mhm. Il y a donc le banditisme. Ce n'est jamais nouveau, le banditisme, ça a toujours existé. Même au temps de commerce caravanier, le banditisme a toujours existé. Il y a toujours des gens qui s'adonnent au banditisme pour couper les caravanes, etc. Mhm. Maintenant, l'insécurité en tant que celle aussi a évolué. Mhm. Puisque euh, les armes euh, circulent beaucoup plus facilement. donc, euh, les gens se sont constitués en groupe, parfois en groupe de rébellion et cela a ajouté à l'insécurité. Au début des années 90, comme vous le savez, des, régions, euh, des rébellions ont éclaté. Mm-hmm. Donc le Kawar, par exemple, s'est trouvé au centre de toutes ces rébellions. Un peu entouré par toutes ces rébellions. Donc l'insécurité était totale. Et depuis 30 ans, par exemple, c'est-à-dire c'est à vos risques et périls si vous devrez euh, rentrer dans le département de Bilma mm. sans convoi militaire. Donc là, on peut retenir que c'est le convoi militaire qui est la, euh, la, solution qui permet, en tout cas, à, ces habitants du Kawar de pouvoir s'adapter euh, par rapport à la question de l'insécurité. En un mot, parce que le temps est contre nous, on euh, aimerait vraiment vous écouter dans les euh, détails. oui, bon, euh, le, c'est-à-dire le convoi militaire, c'est absolument ça. C'est assez crucial, c'est assez important, c'est assez nécessaire pour ravitailler le corps. D'accord. Alors, Alors, nous sommes presque, il nous reste quelques secondes pour finir avec cette partie. Euh, alors, euh, quel message ou enseignement souhaitez-vous euh, transmettre à travers les, les Oisiens, c'est ça, si j'ai bien prononcé le titre, du Sahara. notamment pour les générations futures Bon, pour les générations futures, ce que je veux transmettre. De toutes les façons, aucune génération ne ressemble à une autre. Mais c'est toujours bien qu'on sache ce qui s'est passé avant nous, ce que nos parents ont fait, ce que nos grands-parents ont fait donc je transmets de ce que je connais mhm. aux générations qui viennent, mes enfants, mes petits-enfants, ils vont peut-être lire les jour, ils vont dire, oh, mais notre grand-père là, c'était comme ça, Donc c'était ça mon objectif, mhm. que les gens sachent un peu euh, euh, ce qu'il y a avant. C'est ça l'objectif. Merci infiniment, Monsieur Kolo Mustafa, d'avoir non seulement répondu présent à notre invitation, mais avoir également répondu à toutes nos questions. Nous vous souhaitons une excellente journée. Merci bien. Merci. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangu est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangu. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs, si vous venez de prendre l'émission en cours, ne vous inquiétez pas, vous pouvez la réécouter sur notre site web www.studiocalango.org. C'est nous, c'est l'heure de la rubrique hebdomadaire. Oui, Samira, nous sommes vendredi, nous allons parler entrepreneuriat. Exactement, c'est nous. Le groupement des femmes en situation de handicap de la ville de Dosso se sont retrouvés pour créer en 2020 le groupe NIA. Comment fonctionne cette organisation Quels sont les problèmes euh, que les handicapés euh, euh, rencontrent Eh bien, élément de réponse dans cet entretien de Nana Hadiza Hassan avec euh, la présidente du groupement Fatih Boureima. On écoute kan aram na singe aran to aran bor marge kangara. dai irga to boro zambora iga koi iga iga furi iga fatter ga kala sabi furi iga fatta. en irga furi iga furi iga fatta irga ba un yawo ifo no arango bere irga dai irgate di tusu tusu yan wodi ne irgate kamba gwayo irgate tricottage irgate kamba gata irgate kwayi ya kini mu kwayoyi dan kwayi roba yan da wokulka en model model yan irgite madalla abin da kai ma arangoyi kan arangace eh, gurbamani yara mata na arangace gidan habu to matuka irgite gidan habu irgate daino an foyar ga kwai fuwara ido zama nan guno si si a seno irmo ir habu yan a gogir tanu isi ga duniran digi go bata mara kan sinda sutura nan go si dabante a seno go fura mai fuwa kan ra go ka daidai borai bai iso bai ka ci borai sai kan irgan da kinai kan yan irgo gi ne di mm, ya jinno ne ran dogo te da Eh, fatta, Sanga darantie ne damaka ara fattokkoi tareewwanera wolimna ilbaan nijeria labairano ne iri wallir mandu dama wodin iri mandu dama wodin zamma iri bo bun bono man to iri senodin man mandu ga iri mandu dama ga irga tete dai wo yan dirni te irga marano irgi sambu ima nono ima fai irma ne to filana ninno koy nima hagoi da wone nima nera filana ninno ga hagoi nima koy ka nera ni woni kurara filani daren ko yadin yadin irgo gite irgo girginai nera amma labu wani yanwo irin mandu ban kan gino gabi partenaire no aki gici amma ir bai ko koi fuwara ido eh aran gonda hani kan aran kan gano wuro morgu wala ta da sa kai ne kai ne wala to irgo te adasi adasi yanwo wani adasa wo kirgote wani nago komerso wana mogo wani dangadin na haifo ne inga no irgi irgi dan irgandir asusu ka irga noro da ditunu wodirra fo masalafo ima ye koy ka dankati to han foye irga duri ba han foye sa duri ba wadin kulman nan irma ne dai irsi irga te wai taki wai ci yan kanga nan borai kayan goga windi windi din im du ka furza mi sa te da nor bar kulga te nga hina de dan do ifo kati aran masal biyar biyar dai ka goga je wallahi masala biyar beru fuwa karra da irgowo fuwa site fu dai masal biri biru nan go kar go gurgo ta abun bo da man cir wannan fu wo bun bo kwarto asi bata bata ma ga kai na ko ina eh, kai diyawo kan bisa da gine go gine sai sai ko ina fa ya dirga du dai din bonza Voilà, chers auditeurs, euh, c'était là la, rubrique hebdomadaire. Nous allons encore une fois de plus euh, déguster de l'Asie et cette fois-ci, euh, je vous propose les titres bombardiers de l'ONES, du groupe ONES featuring Berekwe. C'est parti. c'était là le bloc bombardier euh, du groupe euh, Onens Kangalala en featuring avec euh, Berekwei. Chers auditeurs, après cette belle sonorité musicale, direction Matamei, région des Anders, pour l'écho des régions, pour bien évidemment parler d'une culture locale. Et oui, sinon, les pratiques culturelles lors des cérémonies de mariage avaient une importance sur plusieurs domaines, dont entre autres le renforcement du tissu social et la limitation de la dépense. Et oui, euh, mais de nos jours, euh, Tintali, une Tintalia. nouvelle... Voilà. <laughs> Tintalia, une nouvelle pratique, euh, est devenue euh, une invitation culturelle. Le reportage de Habou Sarki Salé. Aure ya kasance wata dama ce da ake amfani da ita domin gudanar da muhimman tirkin al'adu na sada zumunci. Haka ne a can dauri wannan shagulgulan al'adun da ake yi ba su bambanta wane mai kuɗi ne ko kuma talaka. Hajiya Amina mai kayan miya wata dattijuwa ce a mata mai tana tune da irin abubuwan da ake yi a can da wuri. Zamanin mu abin da ake yi in za a sa amarya lalle. Oyewa take yi sai an nema an nema sannan a same ta da gyal sannan a sa lalle. Rasa lalle abin da ake yi a zo a sa lalle. Wan shekare da sahi a yi kumshi da maryace a gayyaci mata an guna su zo lokacin nan duma ne shine ake yin wasanni da shi amma abin da ake ba 'yan mata to bakin abin abin da ake kenan yan mata su je amsar tada ba irin na yanzu bane rihila dar malami jika biyar wayanda suka matsa jika shida a basu cingom da hudu shikenan an kare da su sai raddar ma'armi a bada dala ɗari a bada goro da halawa gida guda ba a yin komi irin wannan na yanzu cin taliya a yi inifar ke yarinya ke ce ki sayi lemu kin sayi kaze goma fiye da goma a yau matasa na yanzu sun murkushe wannan al'adar da su suke gani kamar tsohon yayi ne ne tare da shigo da wata sabuwar al'adar wadda ake cewa cin taliya. Rabia, ko menene cin taliya kuma menene mahimmancin ta? To mu da a yanzu dai gaskiya mu da cin taliya shine al'adar mu. Mu yanzu al'adar mu cin taliya ce. A yi uniform, a dan shaji kuma uniform hallo dole ne an yi ta kuma hallo kai ma mai cin taliya kai dan dimke dimken ka. A yanzu dai mu dai domin Allah in dai baka da hali ma baka wannan cin taliya. Saboda mu cin taliya wannan yana da hidima sosai ana kashe kashen kuɗi. Yanzu in ka tashi yin cin taliya sai ka ga ya ma sarmayanka. Kinan sarmayanka shi zai ɗauki wani ɗawainiyarka ta wani ji ta wani ka? mu dai yanzu cin taliya wayewa ne. Haji Amina menene ra'ayinki a game da wannan sabuwar al'adar da ake gudanar da ita a yanzu wallahi wannan cin taliya ni kai na uwa mace in dai ni iko ce ko wallahi an hasa kawai magabata wallahi su hana cin taliya su hana cin ɗanwake matsala ce yan mu sun lalace Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Chers auditeurs, euh, si vous venez de prendre encore l'émission, eh bien, nous sommes à la partie sport et notre chroniqueur sportif Adam Sariou est avec nous dans ce studio. Bonjour Adam. Bonjour Mira, bonjour Seno. Bonjour Adam. Alors Adam, nous ouvrons cette page sportive euh, avec les résultats de la quatrième journée de la Super Ligue nationale de football du Niger. Eh bien oui, les résultats des matchs que nous avons annoncés hier se présentent comme suit. Le derby entre l'ISFAN et le Sahel Sporting Club s'est soldé en faveur des forces armées nigériennes. Le stade du match, un but à zéro. La Renaissance de Bukoti a battu le Zongorzo FC sur le même score au stade municipal de Niamey. Et en fin de soirée, l'Olympique FC a battu le Wombe de Maradi sur le score de 2 buts à 0. Merci Adam pour ces résultats. Quelle est la suite du programme de cette quatrième journée en clôture de cette 4e juillet, il y aura le match entre l'Ice Police et le Liberté Football Club de Niamey. Chers auditeurs, c'est la fin de ce numéro sportif. À la semaine prochaine pour d'autres informations sportives. Merci Adam pour euh, toutes ces informations sportives. Euh, chers auditeurs, il est l'heure pour nous de découvrir notre star du jour, n'est-ce pas Samy Oui, c'est nous et le portrait de ce vendredi porte sur Boubé Seini, âgé de 43 ans, natif euh, du village de Tito Kobadje dans le département de Torodi. Il a commencé l'animation à la radio Tébonsé Torodi en 2011. Les émissions animées à la radio Horizon FM ont inspiré Boubé à travailler à la radio. Aujourd'hui, Boubé Seini est devenu un animateur principal en langue football. Fuldi travail grâce auquel il arrive à joindre les debout Notre reporter Omar Hamay est parti à sa rencontre. Voici son portrait. Bouve sani de bs oni rimakana illu nder hitande duuɓi ujunere e keme jeenayi e capanɗe jeetati e goho nder leydi tiko kobaje département mo torodi o do juuta faa non fuu o danejo o fuɗɗana radio nder hitande duuɓi ujunayi ɗiɗi e sappo e to wuddu radio tebon leydi torodi ngal gollal du ko wattumo nder mum woni illo ko ƴammol beɗina waɗane e wuddu radio horizon to ɗum naati nder ɓerde makko sanne buuba famtini nimɓe no fuɗɗirgal gollal mi fuɗɗana gollal radio hitande tuba ko wiyetede 2011 saabi ko gollal radio weli kam kam woni wakkati gom joɗake no omar hamma en no gaɗanno émission e concert en fulfulde radio horizon wakkati muɗum ɗe hettino radio sanne fa wakkati gonɗo o wari

hara allah reni o wari cuuriɗo o wiya waran fottamo dow moton waddama ko baji o hoto ley noon en faami botori radio tebon se no singe ley to roodi tan tubako wiyetede 2011 mbimi wallayi miɗo yiiɗi ada kan golle radio dow filla ƴamgol beɗi e fulfulde ɗo woodi attestation ko fulfulde kokkumɓe mbi to wala basi miɗo waɗanaɓe nden puɗɗumi e eh, gollal radio e fuɗɗode gollal fuu heppata caɗale hande saɗorma mo buuba seni tawda nder filla golle radio kan woni batte allah rafu kaƴora ndenago tawaɗo ley leydi torodi ko hattamo yaade waɗoyde yewtereji pindinol amma ba ko kononda imo heɓa waɗirde golle makko no haniri caɗormaji e gommi ɗo yiya kam woni a yii hannde no ɗo endes e gortorodi woodi nde munno activité ji ni wonno waɗanno kanƴi ɗo ɓuytake woni caɗele ɗe gommi ɗo yiya e radio fa handan sey muñal ɗi fuu ɗi mbawta waɗede ni incité ko kampa lemba yamba no gollo suudu radio liptako torodi no golli e buuba seyni o famtini nimɓe no kamɓe makko ngollidita e ballaga ko waddani ɓiɓɓe leydi toroji nder filla golle radio boubacar seyni ni mi andimo warde joni dow golle radio e illa hitande ujunaji ɗiɗi e sappo e go'o dow golle radio omo wadda ballaga sanne dow filla joddal e pamral e potal hakkunde ɓiɓɓe leydi torodi fuu e fayinda ni omo durwa tawa kibaruji yaha nokkuje fuu ɗum saabi o hawri omo gollida e radio biyeteɗo kalangu omo hokka kibaruji fuu ko laati kibaruji ko darta gurdam e yahde yeeso Lady torodi golle makko nafi lady torodi nafi ɓiɓɓe leydi torodi hande ni e nder gallu gollal buube dewli ley mum no woodi ɓikkoy allah e tettinkinare makko du e muñal imo gollida e studio kala ngu fartonildol mum habaruji e hunde nder torodi Voilà, chers auditeurs, vous venez d'écouter le portrait de Boube Seini. À présent, clôturons notre playlist avec le titre Enfant de la patrie du concept 227. Eh bien, sinon, je crois qu'on va laisser la musique pour plus tard. Je propose plutôt qu'on passe au loti. Et dans ce loti, euh, on va parler euh, voilà de l'incivisme euh, qui se pose, que posent certains citoyens lors des manifestations et c'est pour cela que les femmes du studio Kalangut restent dans ce loti. On écoute Salamoto Kadri et Aminata Boubaka. <laughs> Loti, loti, loti, <laughs> no gote o kan jamani charmongo to he grave na gi man dabo ka ka ka ka dai gidi ka ami ka yir mir lambayan te dai gidi gobu dai sama su koy gudu ira <laughs> ka o ka dai ni ai ma sabai ga haru ifo no gogin humbugan di yakinu ni lakkalai kanandi ai mai lakkalai kanandi din won sigri te goy kan bore goga te non kulkin yi bisa addan da gobu yan si godi ga non gai kairi addan da gobu yan ni goga lakkal zagai ni mu dama ni wo humbur komnu hey ame shi tugun se ai bai mate ke zangu humbur komu ga biste go mo ai d'i igu gati kadi ga nongu yan keri nongu yan bugu ga non kai wa hasara a man teme a ai wai si ga faham fahman dai si ai mun faham si ga faham eh ni si ga dite go ki go ga teno dan ge kan ga bore di imi bugu Hmm? igu diga pine yan ton fondara eh ni bai kan wadi moga guduran ai hasaru no ah wani ga janga bon dumiyam mai gai fonda iga o me ni di wala la bistare tabbatan diyan mantikala bor da ci chit fonde kan igorandi kwara kara bor goga bafone ir mu faham ga baymo kan hasar o ki gogate a studiran ba ne da porto mayoga to dai fo sai ni gogati to ai fama rawo kai labis tare janga beran da yannu da jama ginai janga gaksine da janga waniyan bafunai jamara hei amana ban si visimo kan igogici agir lakkalai cendi tinai kan go irgin da bandai bon sanga dangai kan ga borai bisandi ki goga bogu fonda nya birai ki goge kiri zibai dirni ku irmi morgugu munu nan kan ahimanda amma ihimgi jukkemi ifo kiti fondo sin wadin ma gano ai wai banyara niger labu kiti tira kansa igine code penal giri zambar hinkan di hinza a wani izibu zongu hinza da wahakku cindi ya ganta ne kan burkul kan na hino jinai kan di labi zai maga hasara aniya kwaraira handu hinka ga kwai jiruwai kasuno a goborabu ya dimmuno iga bora jukke zambar hinka ga ko hal zambar waranka he gunde gidi ai mata jus kwar go tirfa amma singa furna sai sanikin dora ibai dai ki ko bora sai led biora haru wai wai wai wane kulu kwai ni gogati a ag hinga ta isi bai ki gano iga baiwo isi baiwo ai bai dai kan burkul ki du ka ga mata an korora ka dai ga jirmir lambayan te ga kwa gidi nan kirgu tugu ga bisa dai bi ba niske ci ga salan yi se nin kan ga faham kaina ha ifa na ten se yan ga nisi ba ayi ni bai kirgu ga chargan yan ga nisi ba kalai hinge zai wo imi dorai se <laughs> ai mu koi ga salan yi se ni si ga di mata kan yi eh, bi ba ni mu ne mu ai ga tuhum bur koma to ami ka dai mir lambayan te musu musu go koi nan go kirgu koi ga fatta ga ma wora <laughs> Voilà, chers auditeurs, euh, c'était là le loti du jour. Euh, dans ce studio, nous sommes aussi en compagnie de Alamine Ouachar. Il est journaliste, et traducteur en langue tamashek. Au studio Kalangou, il nous donne l'explication du mot violence en tamashek. Bonjour, Alamine. Bonjour, Seno. Bonjour, Samira. Bonjour. Euh, violence, takma titagite starita nazanov makostut sanam naha marawa danat sadi swini tawakka sastanu séjour d'activisme موسنين أرتن قانين الزنفون وين قانين تكما وين شنتاو قوي الزنف يعني شي ولين تنتاوين فلاس السنة ويدن كولاس تنتاوين تنتا منين دل مسال تنشين دا قرزا دا لكولين ولا دغا غنفان ولا دغين دانان أستا صدام دقتك ما وانشين دين يهانا تركب تيتاوغو يتنتاوين يهانا داغين تركب تيتاوغو يتنتاوين فلقنا ويقنا تارين الله قول لانا تو تركب شين تاوغين يتنتاوين شين دا دا غوناتن هروا دا دا قدلو فلسنا تاقيمت أرتوا يموصر دا غارتا وانفلي توكس مرا ودانت صديس أستاو نوسا جور دا اكتيفيسم دا غادي أرتاواسي هورا تونس صغرانيات نسنتاس artawus yuhordris nabbalan takmawen shinda shi bararenen astawagina takmawen shinda shi madranen astawagina takmawen shinda shi dorenen astawagina awanana takmawen shin aratus yuhordris natnabbalan awen dufudune we tufarta stawnu violence datu kafarda daadi samira dawanna sina maragawan kammat seno Tani Mertz. <laughs> Merci à la mine pour cet éclaircissement sur le mot violence. Chers auditeurs, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiteriez avoir l'explication, vous connaissez le concept. N'hésitez pas à laisser un vocal ou un message écrit au 82 89 89 64. Et oui, c'est le moment pour nous d'écouter les messages qui nous ont été envoyés par nos auditeurs. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. ali aksera daga kalwan chakasari fudana sadar gani studio kalangu arwa grazan ani silawun tagginin balle un tamadrak balle mardu shirina sawan agoradi igrazan wulle akal jinto sa atgrua isalan studio kalangu kuma tafrega tuta lambanna sawan nerte la tgru isalan sanarwa studio kalangu wa juto sani jar nigarrawi salan mignat yalla tafaqan sa ayuba alhaji biyanu anan garin ciro masha Allah studio kalangu ma masha Allah muna barka samun kalangun kullum kullum mutane suna ce mana suna jin daɗin wannan shirye-shirye kenan shi yanzu wanga studio karangu mutane suna ba da goyon baya ɗari bisa ɗari kan a ƙarfafa shi wallahi yana burgewa studio karangu ba ni kaɗai ba duk mutane su dinga yin deplace su zo cikin jahohi da ƙauye ga auditor kin nasu haka na yana da daɗi mana Muhammadu Ibrahim tabbas ina da daga cikin masu sauraron studio kalangu musamman ma shirin su wanda suka kara lokaci na sahi wannan yana katar da musu domin a studio kalangu ne muke jin labaran gaskiya ba jite-jite ba muna jin kamar ka ji wani labari a cikin gari ko baka yarda da shi ba in studio kalangu ta faɗi wanda ta ce an yi wani ba gari kaza ko gashi gashi abin da ta faru a cikin kasa muna gane gaskiyar bayani a studio kalangu ina gaida Je m'appelle euh, Ali Adam, je suis à et je fais partie parmi les euh, fidèles auditeurs de l'Istudio Kalongu. Vraiment, nous apprécions leur programme qui diffuse euh, par les différentes langues, surtout les forums, les informations qu'on écoute par les différentes langues en français et en Hausa. Mais nous, ici, dans la région de d'Ifa, plus précisément ici à Ngingimi, il y a des meilleurs auditeurs auditeurs ici des studios Kalangu, mais malheureusement, certaines de nos populations n'entendent pas le français ou bien les Hausa. Donc, euh, si possible, nos réclamations par rapport à Kalangu, c'est d'insérer la langue, euh, au moins même si c'est Kanori ou bien Toubou ici à Nguingime. Voilà, chers auditeurs, ici pour enfin cette émission de Niger sur Kelangou. Vous étiez en compagnie de Samira Wafi et Ali Munkaila Ousseini. On se dit à la semaine prochaine.